Alors donc euh, en résumé par rapport à la régulation de la glycémie on peut dire que on a ici un phénomène d'autorégulation un phénomène d'autorégulation autrement dit c'est le dérèglement même de la glycémie qui est à l'origine de sa régulation, puisque l'hyperglycémie entraîne entre autres la stimulation de glucocapteurs qui vont réagir pour faire baisser la glycémie, tout comme l'hypoglycémie. Donc c'est un phénomène d'autorégulation que nous avons également vu dans la régulation de la pression artérielle et qui existe entre autres dans les hormones euh, de la reproduction. Maintenant, il faut remarquer que le système nerveux intervient puisqu'on a mis en évidence, grâce notamment à l'expérience de, la piqûre diabétique par exemple, on a mis en évidence donc l'intervention notamment de l'hypothalamus. En effet, au niveau de l'hypothalamus, il y a la présence de glucorécepteurs, de glucocapteurs qui sont sensibles aux variations de la, de la glycémie. Et là-bas, de façon simple, il faut savoir que en cas de variation de la glycémie, hausse ou baisse, ce qu'on appelle des glucocapteurs hypothalamiques. Ces glucocapteurs hypothalamiques stimulent, selon le cas présent, si c'est, prenons l'exemple d'une hausse de la, de la glycémie. Les glucocapteurs donc, de l'hypothalamus vont stimuler ce qu'on appelle un centre insulinosecrétaire. Centre insulinosecrétaire. Ce centre, donc, va passer par le nerf vague que les élèves de terminale S connaissent, qui appartenant donc au système parasympathique et grâce à ce nerf, deux possibilités. La première, au niveau du foie, ça va occasionner donc une glucogénogenèse. Et au niveau, d'où le nom de ce centre, au niveau du pancréas, une sécrétion donc de une sécrétion d'insuline. Donc, et remarquez que si ici on a glucogénogenèse, et la sécrétion d'insuline, la conséquence, ce sera quoi La conséquence logique, ce sera une baisse correctrice de la, de la glycémie. Une baisse donc. Et voyez les mécanismes. Et donc, tous ce schémas, les élèves doivent apprendre à les faire dans les maîtrises. Évidemment, la maîtrise peut, peut spécifiquement préciser qu'il y a une hypoglycémie ou bien qu'il y a une hypoglycémie ou bien ne pas le préciser. Dans ce cas-là, l'élève est tenu de faire un choix ou bien de faire carrément les deux possibilités. Mais de façon simple, remarquez qu'ici, l'hypothalamus et le centre insulino-sécréteur, c'est des éléments nerveux. Donc, ce qui permet de parler d'ailleurs de régulation hormonale ou bien simplement de régulation nerveuse. Il y a également la, la possibilité de parler de régulation neuro-hormonale régulation neuro-hormonale, comme c'est le cas de l'ADH, par exemple, sur la régulation de la pression artérielle. Il faut remarquer que ce schéma-là est polyvalent, puisqu'en cas d'hypoglycémie, les glucocapteurs ou glucorécepteurs qui vont hypothalamiques qui vont être stimulés, eux, vont stimuler l'autre centre qu'on appelle le centre adrénalino-sécréteur. Ici, c'est le centre insulino-sécréteur parce que l'objectif, c'est de faire baisser la glycémie. Mais dans le cas où on a une baisse de la glycémie. Donc, l'objectif étant de relever la glycémie, c'est le centre sécréteur qui va passer non pas par le nerf vague qui appartient au système parasympathique, mais par un autre nerf qui appartient au système orthosympathique et qu'on appelle le nerf splenique. Le nerf splenique va aller stimuler non pas le pancréas aussi qui sécrète l'insuline, mais comme vous le devinez, on l'appelle centre sécréteur. Qu'est-ce que sécrète l'adénaline Les glandes surrénales, Donc, le nerf splenique va stimuler les, les glandes médulosurrénales qui vont sécréter l'adrénaline et permet donc une baisse, une, augmentation plutôt brutale de la glycémie. Comme vous le savez, l'adrénaline est appelée hormone pour cet effet, l'hormone d'urgence. Donc, en résumé, on comprend désormais comment se fait la régulation de la, de la glycémie. On retiendra que cette régulation donc est dans un premier hormonal mais elle peut aussi être neuro-hormonale. Le dernier point sur lequel je voulais terminer concerne donc le, diabète. Le diabète est une maladie chronique, endémique, surtout dans nos pays africains. Et c'est une maladie qu'il faut comprendre. Pour tout, problème de santé, le plus important pour le diabétique, c'est de comprendre. et même si ce n'est pas dans le cadre académique, quelqu'un qui est diabétique, on peut lui expliquer le problème qu'il a. Cela lui permet de gérer la maladie parce que, comme vous le savez, le, diabète est une maladie chronique, une maladie qu'on ne soigne pas. Donc, l'individu est appelé à vivre avec une maladie. C'est important de connaître les grandes lignes, les causes, comment, qu'est-ce qui aggrave son état, qu'est-ce qui améliore son état pour lui permettre de gérer cette maladie comme on le fait pour la tension, pour euh, certaines formes d'asthme ou encore. Alors, par rapport au diabète, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de diabète. Principalement, on distingue le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 touche, environ 10% de la population. Donc c'est un diabète qui apparaît très tôt. C'est pour ça qu'on l'appelle diabète juvénile ou diabète du jeune. Et ce type de diabète est souvent lié à une, par rapport à la cause, est souvent lié à ce qu'on appelle une maladie auto-immune, avec l'apparition dans le sang d'anticorps qui attaquent les cellules bêta et les détruit. Donc il est évident que si des anticorps attaquent les cellules bêta et les détruit, l'organisme ne produit plus d'insuline. C'est pour ça que ce diabète-là, pour le traiter, il faut des injections d'insuline aux, malades. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle diabète insulino-dépendant ou bien diabète de type 1 ou encore diabète maigre parce que contrairement à l'autre type, l'individu ne prend pas de poids. Euh, l'autre forme de diabète, qui est le diabète type 2, est le diabète le plus connu, c'est le diabète le plus, le plus endémique, puisque cette forme de diabète, statistiquement, concerne environ 90% des personnes diabétiques. Ce type de diabète a deux phases de manifestation. Au début, l'individu produit de l'insuline, mais le corps n'est plus sensible à l'insuline, ce qui veut dire donc que le corps ne peut plus faire baisser la glycémie. Et quelle est la conséquence finale C'est que la deuxième phase va apparaître. Pourquoi Le pancréas qui sécrète l'insuline va s'épuiser et l'individu va donc va tomber dans un, pratiquement dans un type 1 puisqu'il aura besoin également d'injection d'insuline. La chose qu'il faudrait également ajouter pour expliquer le, le deuxième type de diabète, c'est que une hormone agit sur une cible. Comment Parce que l'hormone possède au niveau de la cible des récepteurs. Et ces récepteurs-là à un moment, ces secteurs peuvent être usés ou détruits. Évidemment, la conséquence, ce sera une euh, insensibilité du corps à l'insuline, qui est donc le, propre du diabète de type 2. Euh, euh, il faut remarquer également, pour, pour terminer, que dans les différentes formes de diabète, il y a deux voies de traitement possibles ou de suivi du patient. La première voie, c'est évidemment l'injection donc de d'insuline selon des dosages et des, des, une posologie précise. Mais la deuxième forme pour moi est la plus importante, c'est évidemment le suivi d'une alimentation, d'un régime alimentaire adapté et équilibré. Et ce phénomène-là, on n'a pas besoin d'être diabétique pour le respecter. Donc, éviter un excès de sucre, c'est préparer son organisme à la vieillesse qui est inéluctable. L'autre fait important, c'est aussi que la pratique régulière d'une activité physique doit être associée évidemment à une alimentation saine et équilibrée, étant entendu que, et je termine sur ça, la, régulation de la glycémie est un chapitre qu'on n'a pas encore vu en maîtrise au bac S2. Donc c'est vraiment un chapitre euh, dont il faut comprendre euh, le, contenu pour éventuellement préparer une maîtrise sur cette régulation de la glycémie. جانت الكرم سنة منجا جانجل يتدبو شدو فيوان جي ألف تتولى تي أيزا ملينجا سغلا أمنا في تمو جنان